ñu ngi leen nuyu baax a baax di leen euh, jaajëfal euh, léegi-léegi incha allah dinañ ànd ak ci li nga xamante ne euh, mooy

xew diine yi nga xamante ne ñu ngi xew nee naa leen décembre bi macha allah dafa bëri lool ay xew-xew waaye tey dinañ waxtaanee xalatul juma bi war am foofu ci fas ak suñu ay gan léegi léegi ca euh, kanam euh, lay nekk ngañ baay normalement war nañu fekk si tey du ma ko teel a annoncé parce que yëfi ngañ baay la <laughs> démb si guddi woo na ma bëgg a ceeñ man daal waa mbaayeen gi daal jaaxal nañ ma daal doy nañu waar ba mu des Pape Moustapha Mbaye mais ñi ci dess dal mu ngi ñu ngi noonu daal en tout cas loolu yëpp buñ ko dëxëñee euh, boole ko rek inshallah moy nek votre euh, salam de ce jour béni du vendredi 1er euh, décembre 2023 mi spectateurs de Malika TV ñu dem seeti yobul bés bi puis on revient sur le plateau c'est parti jigen rolam ci kaw souf moo ëpp doole bu goor loolu nun xam nañ ko moo tax dama doon wax ni ah, dégg naa seen discours yëpp ci journée jigéen ñeeg bu ma sañoon bu ñu posé seen problème ñu defe ko ni Maodo waxoon ndax dafa ni woon ñuy dale ci kaw di wàcc ci la ñu gën a gaaw a gis yoon bi ñu ni ko lu mel nan mu ni Hawa bi muy wàcc bokkul ak Adama fu ñu ko wàcce sunu borom ay bañ mu jàppe ko sang seetal loolu xam nga kooku du xalaatu Kocc Bar Kocc Bar moom am la naan rek jigéen moom na mel ni mbaxane woyofu woyofu woyofu mel ni mbaxane mu waaw loolu fu ko nit jëme Kocc Bar ba farceur la loolu mooy dëgg parce nga gis doomu jàmbur nga jël ko rek comme mbaxane mbaxane loolu fu ko nit teg baax na rek kese kese <laughs> loolu koy baaxul sunu maam Xawa toll fa mu toll ci jigéene ak taar ak bëgg boppam yàlla wàcc ko ci continent bu nga xam ni bu hostile la te mooy Inde élément yi tukkal ndox yi tukkal safara yi tukkal ngelaw yi tukkal dégg te xam na ko yàlla xam na ni loolaa fa ne mais terewul mu wàcc ko parce que bëgg na mu xam ni yàlla rek a fi nekk loolu mooy li fi nekk looloo tax ku ku roy suñu maam Xawa dëgg-dëgg rek nekk jàmbaar parce que ko jigéen ñi roy na ba mu wàccee sonn na lool seetal fu mu jóge ni mu baree sécurité ni mu baaxe ñu wàcc ko ci ndeysaan planète bu nga xam ne ay ay rekk fa nekk ay ay ay waaw ci jaan yeeg ci gaynde yeeg ci ngelaw leeg ci safara yéeg yëpp waaye mu muñ ko ndax sunu borom ma koy orienté donte jàngul géographie mel na ni jàng na ko parce que wut naa wut a wut ba dajawaat ak Adam waaye ci la jóge xam ni responsabilité góor ak responsabilité jigéen benn la te la ko xamee ndeysaan te la ko xamee mu mel ni kon bu jigéen ñi nattee seen bopp foofu rek daal di am solution waaye yii ma déggoon ñu di ko wax ëpp naa wax sax parce que daf dul sotti dafay nekk dawr ak tasalsul dafay nekk dawr ak tasalsul la ngeen jàng ci seen ibnu Ashar parce que théorie bu dul ak dafay nekk dawra ak tasalsul rek baaxul baaxul baaxul bu defee jigéen ñi foofu nga leen di natt ci coono si sunu maam xawwa walleen ci nattee rek ñu xam ne seen responsabilité yi mu eh, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yalla na yàlla eh, ay leeram te taas ñu ci barkem gis ngeen eh, c'est vrai qu'on est fan yëpp ñu ngi nekkon ci bés yi nga xamantene ñu ngi lay ñu ko jagleel jigen ñi surtout la violence faite aux femmes arrêtez de violenter les femmes c'est de la lâcheté waxna len ko euh gor bu matee gor seuk mat limu don du violenter euh donc nañ ko moytu c'est important nanu nanu nanu nanu sagal jigen ni Euh, di leen toppatoo di leen tatagal di leen sargal bu baax a baax di leen neexal di leen ayo nenne waaw kay mu ngoog euh, jërëjëf Serigne seex ci kàddu yu am solo googu euh, jëmale ko ba léegi rek ci suñu wayjur yi suñu soxna yi suñu sœur yi macha allah amuñu seen fay boo leen fi nekkul woon rek mu demee ne neen tarkal macha allah ay Mariama mi nga xamante ne ne moom Moussa la nopp xam naa ne moom musaa nag dafa bëri xeetu violence moom du la dóor waaye bëri na xeetu violence daal moom français am sax violence la Moussa bu la message français.

mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ANACIM moo dellu si waat di leen indi seen xibaar météo digg bëccëgu ajuma incha allah dinañu nemmeeku ab tàngoor ci yenn goxu réew mi waaye balaa boobu nag guddib tey ji jëm ba ëllëg ci fajar péex la ñu nar a nemmeeku ci lii ëpp ci réew mi ak ay température yoo xam ne dinañ ko gis ci kanam tuuti xaw a digg doomu tuuti donte sax dinañ ci am yoo xam ne dinañ xaw a wàcc ba nara a tolloog ñaar fukki degré dañuy wéyax animation satellite bi gis ni asamaan si incha allah bu guddib jotee dina ami niir ci daanaka gox yi nga xam ne ñoo féetee ci booru géej waaye tamit ca bët gànnaar ak ngelaw goo xam ne dina ëpp nara dina ëpp réew mi nar a jugee bët gànnaar te ëllëg ci digg bëccëg tamit dinañu nemmeeku ay niir yoo xam ni léeg-léeg dinañu doxantu si ci réew mi rawatina nag boori euh, bët saalum boori bët gànnaar sax nag boori sow waaye tamit laalaale tuuti penk bu ñu xoolee prévision guddi tey ji dinañ ci gis ci wàllum température ay température yoo xam ni xaw na ñoo yokk tuuti bu ñu koy méngaleeg yi ñu daan faral di am fan yi weesu température bi gën a néew incha allah ñu ngi koy yaakaar mu tolloog euh, ñaar fukki degré moom la ñuy xaarandi incha allah ca Mbour ca Louga ca Diourbel ca Kaffrine tamit ca bët gànnaar diggante seen louis ak Podor ñaar fukki degré googee lañ fay xaarandi incha allah ci guddib tey ji muy température yi gën a néew dinañu gis ni incha allah nag boori penk température yi tamit dinañu xaw a euh, yokku tuuti dinañu nemmeeku ñaar fukki degré ak benn ca Bakel waaye Matam moom dina am ñaar fukki degré ak ñett mu nar ko tolloo lekk Kédougou boori Ndakaaru nag ci sowu réew mi foofee la ñu am température bi nga xam ni moo nar a gën a kawe foofee la ñuy wëy sax nag di am température bi nga xam ni mooy gën a kawe nar a tolloog ñaar fukki degré ak ñeent bu ñu demee ëllëg ci diggu bëccëg dinañu nemmeeku ngelaw goo xam ni dina jugee penk. nara dugg si ci biir réew mi te ci noonee nag boori penk googee gox yi fa nekk dinañu nemmeeku ab tàngoor ak ay température yoo xam ni dinañu tolloog fanweeri degré ak juróom-ñeent comme ni koy gisee ca Matam nar ko gisaat incha allah ca Tambacounda dinañu am boori bët saalum ca Kédougou température bu tolloog fanweeri degré ak juróom-ñaar mu tolloolee ko Kolda. Bakel moo nar a am température bi nga xam ni moo nar a gën a kawe incha allah ëllëg ci digg bëccëg nar a tolloog ñeent fukki degré ak benn ñu gis ni bu ñu ñëwee boo di digg réew mi benn degré la ñuy wàññi ci daanaka ñeent fukki degré ak benn yooyee pour mën a am température Fatick Kaolack kafrin waaye sax boori Linguère ñu gis ni donc température yi xam na ñoo yokk tuuti waaye Dakar moom dina wéy di am euh, température bu nar a tolloog ñaari fukki degré ak juróom ñeent ëllëg ak asamaan soo xam ni léeg-léeg dina amee niir waaye tamit léeg-léeg jant bi dina fës bu baax ci bisub ajuma ji mbokk yi ñu ngi leen di yëgal nii kuréel bi nga xam ni mooy saytu lépp lu jëm ci wàllum coppite ci jaww ji dañuy amal at bu ne ab daje daje gu ren gii nag ñi ngi koy amal incha allah ca Dubaay tàmbali na sax nag ci alxamis gi fanweeri fan ci weeru novembre bi mu nar a wëy incha allah ba fukki fan ak ñaar ci weeru décembre.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 mu merci beaucoup wa ANACIM euh, ci li nga xamantene mom lañu la indil euh, ci euh, walum météo donc gis ngeen température comme niñ ko xé mu ngi gëna wañé ko bu baax a baax ci réew mi réew ma ngi wëy di gëna feex féex yàlla jëm kanam on vous souhaite on vous souhaite de passer une très très bonne journée à travers les programmes de Marika TV bien sûr à travers votre émission Salam ak fo leen mënti nekk ci aduna bi rawatina yéen ñi nga xam ñu bayyi xel ci canal bi ci bouquet 227 bi waye tamit ci li nga xamantene moy TNT wala Eutelsat wala TV d'Orange wala yéen ñi nga xamante ne nag yéen koy bàyyi xel ci YouTube beeg Facebook beeg lu ne mel en tout cas ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ñaanalaat kenn dal ak jàmm di ñaan ci ajuma ji luñ ci ñaan rek yàlla ko ñu ko yàlla nangul Mariama Traoré asalaamaaleykum wa rahmatullah voilà di di nuyu également ñëpp ñi nga xam ne ñi ñuy bàyyi xel ci fi nga xam ne moo di Malikia TV euh, di am mbégte à chaque fois euh, bokk ci li nga xam ne moo di euh, lañu fi fiy daal di waxtaanee mais Seydou baa xam nga nii dëkk bi dafa metti dëkk bi dëkk bi loo fi wax ci mettit romb na ko barki Cheikhou Tidiane waaw te li ma ci gën a naqari mooy ñi ñu jiite daa mel ni seen yoon new ci. doy na waar. daa mel ni lijjantiwuñu. non en tout cas loolu aussi beneen beneen problème la. mais mett gi daal tamit mooy. Hmm. léegi da ngay nekk ci réew gis koo bëgg nga xamal ni nit ñi ni kii dama ko bëgg. Ah, yow waxuma jàppale la ci loolu mais dañ lay déstabiliser di jéem dagg say tànk say du noonu loolu aussi tamit il faut ñu waxtaan ci ak nit ñi. sa taille bi lii ban couleur la ni li somo la wala. pourtant dama la tegal benn sujet. boo ah, non damay ñëw lii la la somo. non bi rose la waaw ah, rose rose. ah ok ah rose ficha ok d'accord dafa am koo bëgg. D'accord. baax. D'accord..! bu baax. Euh, ok. yow ki bëgg kay xam ah Moussa. Moussa oui..! sama Moussa vous avez non Moussa dama la koy Moussa Moussa am voilà mi ngi Moussa ko am Moussa. donc man comprendre gi sama Moussa lu lu bari. comme ça nga dimbali ko ci jaay. loolu Vous avez mango mi <laughs> <laughs> mango <laughs> Moussa waa xodda ba seen xaalisatul jumaa c'est le 29 ah 29 décembre incha allah donc 29 décembre ñu ngi fële ca diwaanu xodda ba ak euh, ànd ceeg euh, waa xodda ba yëg comme daal ku ko Moussa nga bëgg. waaw léegi imaam yaa ngi fi. kii laa bëgg daal mu ne la diw laa bëgg. ah lan moo ca des. sëñ Moustapha daal balaa moo dem ba sëy bi. Ah. ngañ baa ngi fi. lii daal. <laughs> imaam yi sax a ngi dee xam na ni nit bu la nee kii laa bëgg. Ah. donc da ngeen ko ci war a jàppale. ah ah nga ah, jeex na waaw laa bëgg. loolu xam nga problème yooyu yow da nga ne Moussa nga bëgg ci kër gi. ñëpp di la artu <laughs> nga war a xam sa bopp nag yow nee nga ba musa Diop sa artu na la ba Alaaji Malick Diop artu na la <laughs> waaw baax na. moo la jamono damaa gumba taxlu parce que nee naa su may su may déglu lool sama digganteeg Moussa mii ah, Ah, dam naan du dem fu sori de ah. waaw baax na mu goog jox naa ko xol bi daal bàyyi oh. rek instant yi ma gumba tëxlu nga baax na xaaral ba nuyu sama gan yi ci plateau bi en <laughs> attendant que Ngagne nous rejoigne et puis euh, ñu daal di tàmbali li nga xamante ne moom la yéen kaay xëyee tey euh, xam ngeen le 8 décembre incha allah ñu ngi wàcc euh, xanatul juma bu mag foofu ci doonu fas wala dajale daayira yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Ndakaaru yëpp ñu nar a dem fekki nag Serigne Moustapha si Euh, Jamil waaye tamit fekk fekki euh, xalifa Serigne Babacar muy Serigne Mouhamadul Mansour euh, Jamil ñu ziar ko bu baax a baax daa nuy suñu Serigne suñu soppee Serigne Ahmada si sama sama sama maam Cheikh Oumar maa ngi koy nuyu bu baax si malik ak njaboot gi yëpp ak waa Fass yëpp ñu ngi leen nuyu bu baax baax. di leen ziar mu kon tey jotaay dinañ ci ànd ak suñu gan kenn ki di Serigne Moustapha Sarr sëñ Moustapha ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di la di la ziar Sarr. Mhm. Euh, di la wàcce sa wàccuwaay. Mhm. di nuyu tamit waa Malikia TV yëpp. Mhm. di leen ziara ñoom tamit. jërëjëf di ziara képp ku ñuy déglu. di leen wax euh, ñu leen di dégg lool ci jotaay bi ñu bokk ak yéen. jërëjëf jërëjëf Serigne Moustapha jërëjëf kontaan nañu loolu alors euh, Papa Moro aussi mu ngi ak ñun moom nag sama turandoo la. Seydou Nourou <laughs> bàyyi ma la wax Seydou Nourou rek comme ça ba ba ba ba ba émission bi jeex. xam nga ñun ñun tukulóor yi moom sa yaay day tudd sa papa tudd sa maam tudd man fi may gis ni ñeent tur laa am ñeent <laughs> waaye benn beneen moom su ma demee Fuuta damay romb nit mu ne man Aliou Aliou ma dem ba si ak mu ne mooy kii man lay woone <laughs> maa lay nuyu baax di leen ziar Pape. waaw di nuyu téléspectateur Malikia TV yëpp di leen ziar di rafetlu liggéey bi. di ñaan yàlla yal na yàlla barkeel liggéey bi yëpp. amiin di nuyu waa Fass yëpp. di euh, président bi su ma ko tegee ci loxoom Adama Bachir Camara. mu yóbbaale ñëpp rek incha allah. incha allah am solo waxtaanee li nga xamante ne mooy xadar bi war a am foofu ci diwaanu Fass en attendant euh, Ngagne Mbaye dinañu fekk si léegi newoon naa leen boo leen ko gisuloo ngeen xam ne cenc na waaye finalement cencul ñëw na <laughs> dama ko xam kii sama copain la. <laughs> ayca <laughs> Mariama ñu dem ci li nga xamante ne euh, moom la yéen bien sûr avec la complicité euh, de la régie donc ce matin euh, li nga xamante deux minutes pour lire l'essentiel daal di xëy ama am solo présidentiel et de deux virgule bien sûr la CDC ne signe pas son coup voilà lol nak moy euh, li nga xamné modi wa 2 deux minutes pour lire l'essentiel xey euh, fësal ci seen xët bu ñëk wa dal di àddu jëmale ci walum politique ak li nga xamné nak niki ni ki xew na fi nga xamné modi caisse de dépôt ak euh, consignation hmm. xam nga ni nak mom mandataire Ousmane Sonko bi ni ki la demone def dépôt bu conscient waye gannaaw ci non nak lañu ko dal di bancal mu melni ni aussi benen. xex la bo xamné jamono ji nak ñom ci la ñu di ne jëm rek ci Ousmane Sonko mëna bok ci li nga xamné mo moo élection présidentielle yu 2024 tax nak ba wa deux minutes pour lire l'essentiel euh, xëy daal di koy fësal ci seen xët bu njëkk wàllum dette publique également à cour des comptes euh, bi nga xam ne nag jamono ji mi ngi ci ay euh, lënc lënc loolee itam des nañ koy daal di taxawu muy aussi loo xam ne ci xibaar ñoom waa deux minutes pour l'essentiel daal di nañ ci ñëw verbatim d'es ce matin tamit ki nga xam ni Ben Mortar Diop dafa daal di addu jëmale ci li nga xam ne nee naa leen nag caisse dépôt ak consignation waaye ki nga xam ne moo yor seen di Matar Diop moom nag Ben Mortar daal di nay ñëw

l'Assemblée euh, nationale xam ngeen ne nag démb lañ doon ndax képp lu jëm ci euh, votum euh, budget yi bañ doon amal bobak léegi jàppale nak ci xayma li nga xam nak modi vote budget bu Assemblée nationale daal dinañ ko japp ci lu tollu 703,6 milliards ci suñuy koppar nak député ya daal koy adopté loolu itam moy yi nga ak moy ak xibaar yo xam wa solo Soleil kay xëy nañu ko daal di koy fësal ci seen xet bu njëkk mu ngo gannaaw le Soleil ñu seeti benen yéen kay tamit lu mu daal di xëyee pour xol ñomit ci yane xibaar le la ñu daal euh, Quotidien qui barre son à la une encore encore un mauvais départ. encore un mauvais départ euh, Ce Quotidien nak, euh, ñu daal di xam ne ni euh, kon jafe-jafe yi nga xam ne am na ci njaayum gerte gi jàppale ne nag dafay soogoo tàmbaliwaat ndax li jëmaat li jëmaat ci démarrage bu campagne commercialisation bu arachide bi nak ni mu daal di doxtee daal am jafé ab jafe-jafe boo ci digënté ñi nga xamné modi paysan yi ak nak état bu Sénégal tax nak ba ñu daal koy def ci li nga xamné nak modi moo di seen xët bu njëkk waye benen jafé jafé ñël walum secteur éducatif ak niki demb li nga xamné nak mo moo université euh, morte te ñi nga xamné ñoo di wa SAES euh, nak euh, amalon ko lool aussi daal dinañ ci ñew bu baaxa baax marché bañu def nak ci UCAD nak UGB ngir nak ñu daal di dellusiwaat cours présentiel ci biir université publique yi loolee aussi ap xabar la bo xamné ci na mo gëna a wa Sud Quotidien xey nañu ko daal di koy def ci seen xët bu njëkk wàllum vote du budget à l'Assemblée nationale loolu aussi kon ci xayma lañu ta daal di japp daal mu tollu ci 703,6 milliards francs CFA ñu daal di koy 7000

Seydi Ba pour ñu ci journal lu Sud Quotidien euh, ñu le témoin du doyen Mamadou Omar Ndiaye qui est revenu d'ailleurs euh, sur Mamadou Moustapha Ba pour nous dire que euh, excusez-moi, pour nous dire que Moussa Ba superstar. Euh, superstar voilà trois points de suspension euh, mu Nakati, ci kon euh, li nga modi ne moo di ko daldi def ci pencum ndaw réew mi mom moom Moustapha Ba ndax nak jappal ni doxalin nak doxalinam dafa méngoog li nga xam mom la kujje daldi rafetlu waye ñi nga ñu au pouvoir yi daldi rafetlu bu baaxa baax mom joxu bi ñu finance ak budget di Moustapha Ba ni ki démb nak ovation mom nak la daldi am ci kanam li nga modi député yi euh, ci rek ba koy defal nak bobu euh, vote bu budget bu ñeel euh, kon session parlementaire bu assemblée nationale mom sax Moustapha Ba gannaaw bu mu défé bilan bi nga xamné état bu Sénégal dal dina koy def nak ci ba mu toogee ci réew ba légui si dal ñu gis ni vraiment mon liggéey bi nga xamné Moustapha Ba ma nga koy dal di def nak faw rek ñu dal di koy rafetlu tax nak ba témoin kay dal di xeyé li nga xamné ne natalam ci sen xëtt kay waye aussi docteur Abdourahmane Diouf ak livre bu yes bi xam euh, nak nag fas bolois ko Sénégal euh, fan lañu wala mëna jaar euh, ngir rek Sénégal mëna di développé wu lolé aussi suñu natango mm. xëy nañu ko def ko ci sen xet bu ak bien sûr ki nga xamni modi photo Abdourahmane Diouf à la une du journal de ce matin Abdourahmane Diouf mu ngok mu ngok gënaaw le témoin ñu séti tamit beneen yéenekaay lu mu l'observateur pour nous parler les scandales des gouffres à milliards. Euh, voilà, donc... Euh, ah non, excuse-moi, excuse, excuse ça c'était hier. C'est ça. Euh, excuse-moi, c'était hier. Euh, le débriefing d'un show marathon. Très bien, nous avons dédicat Seydou Nourou ci euh, li nga xamné moy euh, vote du budget ba la ci dal di xew ak li nga xamné euh, kon modi député yi tek nañ ko sur la table sur la table mu jëm ci ay revendications ay requêtes ay doléances ba tax nak ñuy samp laaj lan mo waral observation ak subjection yi nga xamné nak léeg-léeg dañ ciy gis mu am ay jafé-jafé ngir nak matale lolé nak moy mooy bu njëkk bu li nga xamni euh, modi l'observateur ñu daal di koy xëy euh, fësal ko ci seen xët bu njëkk waaye aussi walum euh, lu jëm ci walum santé ak translation rénale bu Sénégal xam ngeen ni nak bobak légui suñu médecins ñi ngi def ay opération ñeel kon faju bu roñon niñ ci daal di kon donneur yeeg receveur yi daal dinañu sék ak ñom ay waxtaan waye nak vraiment ci li nga xamni nak nag nañ ko ñom nak ap kon mbégte lañu ñu daal di am ci liggéey bi nga xamni suñu médecin médecins yi euh, ñu ngi koy daal di amal jamono ji ab reportage bu yàlla bo xam ñom ñoom waa l'observateur sekk nañu ko ak nak ñan ca daal di euh, amal boobule opération mi ngi dans les colonnes euh, du journal mu ngoog gannaaw l'observateur ñu séti tamit benen yéen kaay lu mu daal di xëyee tey tribune ki barre son à la une les cona di leur pire que le virus. voilà ñoom waa tribune nag Seydou Nourou nee nañ ñëpp ñi nga xam ne joxoon nañ leen euh, baadaamu tuuma jëm nag ci gestion Covid 19 bi euh, faté wuñ leen euh, ben yon ndax nag ci xibaar yi nga xamné kon daal dinañu ko fësal nenañ nak nag ñu tuddé ay corona dealer nak nañu daal di pare te xam ni doxalin bu yees kon mën na daal di ñëw ci kon daal di wañ rek sen loxo gannaaw bi nga xamné ba fu mu ni amul ben sanction bo xamné tégon na ci sen i waye ñom ñoom nak ci jamono bañuy fajj corona coronavirus nak ñuy euh, lek li nga xamni euh, modi euh, askan bi tribune ñom nak la daal di def ko nak ci li nga xamni modi sen xet bu njëkk walum politique batay ki nga xamni nak modi Ousmane Sonko nee Sonko dépose sa caution la CDC déchire le chèque di mandataire am Ayib Daffé démb de ngeen ko ba mu demee nak gannaaw bañu ko joxee quittance donc dañu ko daal di bantal li nga xamni nak kon mo jëm ci dépôt ñeel nak seeni 30 millions fi nga xamni modi caisse de dépôt ak consignation loolu aussi ab euh, taxawaay la boo xam ni euh, ñoom nag ña nga koy xeex tax euh, ba ñi nga xam ne ñoo di waa tribune xëy daal di ci ciy dikkaat ci ni nga xam ne nag noonee la gën a yaatoo ci seen xët bu njëkk mu nga gannaaw tribune ñu seeti beneen yéen kaay tamit tey lu mu daal di xëyee 30 millions yi moom xam naa bu ñu ko dénkoon ngañ baay mu jël ay 30 <laughs> yi ñuy jox ak a a téyel ma téyelu ma la dañ ko joxoon xaas ngañ baay rek ñu xool ndax du leen ko dencal

Ousmane Sonko ana fan la wanen mujjee geutam ngir nak mu meuna am chance euh, bokku ci élection présidentielle lool nak nag la waa yor yo xey euh, daal def ci li nga xamné nak modi sen xet bu njëkk euh, di avocat Ousmane Sonko yoyé waye aussi gis ngeen kaddu ki nga xamné modi maître Ciré Clédor li muy japp né la chambre administrative a failli à son devoir mu daal di dik aussi ci kon mandataire Ousmane Sonko ba Bantani. ni waru won meuna dem déposer lu jëm ci caution bi ndax japp na ni ñom nak du ñom ñoo habilité

pour la République te fétéo ah, fi nga xamné nak ah, modi Parcelles Assainies na ay kàddu yu dëgër la dal di yëkëti nak ah, jëmale ci ñom tax nak ba ñuy xamné ni mom nak Amadou Ba jamono ji ma ngay dal di attaque ci ay discours yo xamné mi ngi koy yëkëti sa suné tembe nak le la waa Les Échos daal di dikati ci na mu def ko nak ci lu jëm sen bu mais tamit ñi ko doon wax sànq Moustapha Ba ak nak li nga xamné mo ñël député yu pouvoir ak opposition nañu lué li nga xamné modi moo Mhm. l'olé aussi euh, mën ngeen ko seen ci euh, journal bi euh, voilà sans pourtant oublier à faire dépôt de caution ak coow li nga xam dox diggante CDC Ousmane Sonko ak mandataire l'olé aussi kon mi ngi ci biir journal bi mu ngoog gannaaw les échos ñu jall ci benen yéen kaay lu mu daal di tay Walf Quotidien bien sûr qui barre son à la une Moussa Bokar Cham asphyxie Walf Asfisi Walf mu jëm nak Seydou Nourou ci walum aide à la presse nga xam ngeen ne ba aussi amna ciow bo xamne dafa dox ci wa direction de Walf TV ak nak ñi ñiy séddale loolee di ab ndampay wala sax nimbal bi nga xamné dañ koy jox ah, nak ah, ñi jee di ah, presse bi ñom nak wa wolf Quotidien nee nak batay dañu tey dañoo daal di décaissé lu tollu ci 50 millions francs CFA bi nga xamné mom la wa wolf tàmmoon di jot ngir nak ñu djébal leen ko ñom nak wa wolf TV ci lañu ñu daal di bind japp nañ ni djewluñ bi rek fay taxat caxatee lu jëm ci walum instruction jëm ci walum hiérarchie gis ngeen mom photo Moussa Moussa Bokar Cham ak ki nga xamné modi ndem si yalla Sidi Lamine Niass mom nak la lañu daal xey euh, xëy euh, euh, ci seen xët bu njëkk waye batay tey transparence des élections ak kon lu jëm ci les chroniques sur la présidentielle coowal CDC mi nga xamni dafa daal di rejeté chèque bu Sonko loolu aussi mënees nañu ko gis ci li nga xamni nak modi journal bi ñu daal koy fësal ci li nga xamni modi moo seen à la une. Moussa Bokar Thiam. ay Moussa waaw baax na. Moussa yow <laughs> ba mu <laughs> xam na ngeen ko mo coupé won seen internet bi <laughs> mo tëjoon wal fajëri 1 mois mo ngi mom la xamee len ko bu baax ah c'est ce que l'histoire va retenir de lui hein ah, oui. moi c'est les seules choses que je retiens de lui après tout euh waaye et de la presse bi ñu bokku ñu ci ah wala Matar Ndiaye da encaisser na pat ah wa baax na mën nek nekk Matar daa encaissé Ah, <laughs> yaa ko wax de waxuma ko wall <laughs> Walf Quotidien ñu jàll ci beneen euh, yéenekaay euh, après Walf Quotidien lu mu daal di euh, xëye tey Vox Populi bien sûr qui baax Euh, sont à la une ce matin. Euh, la CDC reçoit le chèque de son corps avant de le rejeter. Ah, voilà mi non, noonu sànq ba léegi Seydou Nourou. daanaka euh, ñu ngi koy wax kon mu nekk euh, mandataire Ousmane Sonko bi démb nag jàppale ni ci li nga Vox Populi également nag daal dinañu ko xëy fësal nee nañ daal moom dañu ko jox chèque ba noppi daal rejeter rejeté li nga xam ne nag moo jëm ci caution boobu yi nga xam ne waroon na déposé ci ki nga xam ne moo di candidat am di Ousmane Sonko Mom ayib dafe nag daal di ñaawlu bi

déposé euh, niki dem ma ña nga doon def ab jaabante fofé ci buntu CDC dadi euh, di déposé nak li nga xamné ne moo gañu len don laaj euh, ci li nga xamné mo ñël élection présidentielle mu gannaaw Vox Populi ñu seeti benen yéen tamit lu mu daal di tay euh, après Vox Populi nous avons cette beneen euh, sow rapidement source A bien sûr qui barre sont à la une euh, entretien et vérité de docteur euh, Momodou Salif Salé. voilà moom Mamadou Salif Sané nag dit enseignant chercheur à xamam nag match de ci wàllum 3 public de université Gaston Berger nekk également membre du organe de régulation du PASTEF daal dinay àddu nag jëmale ci wàllum éligibilité Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye ak li nga xam ne verdict Cour suprême waaye aussi lu jëm ci procès yi nga euh, justice sénégalaise nak euh, da ci euh, daal di am jafé jafé ak ki nga xamné modi sen leader du Ousmane Sonko mom nak yoy le pogne la daal indi nak leeral bu baax baax ak suñu ay naatango source a ci ab waxtaan bo xamné nak nag nako ak mom en tout cas ci nima gëna gën mi ngi dans les colonnes du journal. mu ngoog muy mu def ci nak ay je pense que njàngat wu yàlla quand même lu mm-hmm. jara lu jara a lu jara lire la mm-hmm. c'est important souvent de de lire ces genres de de de dossiers là. Mm-hmm. c'est important mu ngoog gëna source a ñu séti beneen yéen tamit lu mu daal di euh, xëyee de Blue News de bi le jour euh, qui barre sur la une bon Benno montre la voix Benno montre la voix ñom nak wa bés bi le jour euh, nee nak jamono ji Benno mom ñu ngi ci sen ay stratégie jëm aussi ci kon doxalin bu mat sëkk bo xam japp nañ dal buñ co daal di lu jëm ci élection yi dal menes nañu ko menes nañu fa am chance ndax ku ci melni Abdoulaye Mbow ak nak yenen ci ay jegeñaaleem nag daal di nañu jébbal ab liste député ñal nak kon. Euh, seni euh, participation symbolique ci parrainage citoyen yi euh, ki nga xamni ne modi Amadou Ba lolé nak la waa bis bi le jour xey nak daal di ci li nga xamni modi sen xet bu aussi ki nga xamni modi moo docteur Abdourahmane Diouf après la présentation de ses ouvrages lolou tamit suñu ay confrères xey nañu daal ci ñëw ci na mu gën ngi rek gën leen xam lekk li nga xamni ne livre ba ak Abdourahmane Diouf lam ci wax ni buñ ci doxé dal li nga xamni ne Sénégal dina jaar rek dadi développer développé au ba le refus de parrainage à caution qu'on euh, fasse euh, donc aux deux pièces euh, manquantes à lire également ci les colonnes du journal Bés Le Jour. mu Le Jour nous sommes Le Jour Libération avec ses enquêtes et ses révélations aujourd'hui nous parle

de monter avec les pièces d'identité ah, manam dañu daal di rassemblé rassemblé woon nag lu bari ci ay pièces d'identité ah, tax nak bañu ñu di jël nak bile koppar waye nak bañu ko sayto ba xolat ah, ndekete nak li ni mel ab satch kep la ñu def ko nak fi nga xam nak modi crédit mutuel bu Sénégal lolé nak mom le wa Libération xëy rek daal di dikkaat ci na mu ci ciowli waye aussi li nga xam mo jëm ci jafé jafé yi am nak ci yenn suñu ay service du ci demee ni crédit mutuel bu Sénégal mi ngi ci fi nga xam moy ci journal bi ñu et rek euh, euh, def euh, scène à la une. en tout cas que ci dernièrement quand même crédit mutuel. Mhm. pas la première fois que nous avons eu scandale humain mel oui. Ah. des vols faut ci tu crédit.

diamarlo ci ap euh, euh, kon combat de choc bo xamni ap match de choc bo xamni en tout cas ñi nga xam dañuy daldi di walum tagga tàggat nak nag nañu ko xaar waye aussi lu jëm ci walum éliminatoire kan 2024 jàppale ni suñu Lion euh, yu jigéñ ni démb lañ doon kon daldi jouer ak ñi nga xam ñoo di wa Égypte waye nak ñom dañ leen daldi daan ci ñent but ci zéro loolu aussi daldi nañ ci ñom wa al stade quotidien ci tagga yaram batay walum classement FIFA du mois de novembre nee nak Sénégal batay mi ngi dess ci ginnaw euh, réew bu Maroc Seydou Nourou mu nga euh, ñu jàll ci benen yene kay kaay stade moom xam naa dama leen mujjee bàyyi <laughs> boo leen xëyee gisatu leen ma tek stade rek. <laughs> nga leen di non mais nos lions non nos lions qui gagnent hier. 4 mhm. à 0 tu les mets pas à la une tu, tu me mets le championnat de Saudi Arabie à la mhm. une. lu ci ñoon ci ay al ak al Hilal. jaaxaan baxul nañu soutenir suñu football bi les lions ont gagné hier 4 à 0 c'est pour se qualifier tu les mets à la une. mais tu mets ma euh, Kalidou et Sadio. Mhm. ñi les gens ñu dem retraite. sont qui est yi ñu jëmale ci les boo xëyee gisatu leen stade je xam <laughs> na de football na chef, na chef, def Bombardier 47 ans Homme et aigri 43 ans.

sen combat ak euh, ki nga xamni modi euh, moo di euh, pompé par ndjay tin la saison passée Guiro Seras quoi faire pour rebondir alors aussi lii ap laaj bo xamni wa sunu lamb xëy nañu ko daldi di samp jëmale kon ci groupe Guiro Seras mi nga xamni japp nañ nak mi ngi ci lu jëm kon ci ay jafé jafé ñel wàllum lamb. mais dañ ne gribeur Bordeaux lu moom 43 ans. 43 ans waaw. Ah, loolu mënul nekk.

ay ay magu démb lañ bon Eumeu Sène sax Eumeu Sène xaw xawaluma ko dara mais Gris Bordeaux moo defuñu sax âge Eumeu Sène ah Bombardier lañ def 47 ans Eumeu Sène euh, dañ ne Eumeu et Gris 43 ans voilà ah oui Eumeu et Gris ans c'est vrai ah. man quand on me dit que mag kan sax kan ban mbër lañ war keroog maa ko mag ay muurloo maa leen mag ma leen arrêté ñooñu magu ma leen ngañ bay

ak bu la dalee tey moom xam naa ne heure yi may heure yi may tëdd nga bëgg ma koo ñëwloo ci télé bi mënul nekk. non boo julee fajar bul tëddaat. déggoo yi may tëdd man heure yooyu lay tëdd man ay 7 heures lay tëdd ak 8 heures yow 17 heures ñëw liggéey si. waaw nga bëgg maa yeewuloo 8 heures. mais benn yoon ci semaine bi la garaaw. moo tax damaa amee insomnie sax bii ci guddi. li mu xalaatee saytu Nour rek nalaw ma kenn xamu lii lu mu woo démb ci guddi di ma testé quoi normal ma ne ko eh ñëwal <laughs> maa ngi lay ziar doom day sëñ Nour ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax. di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi yëpp nag. xalif général de Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour. Cheikh Sidil Hadji Malick Abdoul Aziz Serigne Babacar Abdou ak mbooleem njabootu Cheikh Sidil Hadji Malick gépp nuyu suñu PDG Serigne Makhtar Ndiaye Al Amin ñu nuyu ko bu baax ziar ko. nuyu téléspectateur Malikia TV leeru Maodo yi ni seetaan fii ci biir réew mi ak ci bitim réew yëpp. waaye di la nuyu bu baax a baax. ñu ngi lay fay Mbaye. di nuyu ñu bokkal plateau bi yëpp. sang bi Pape. pap ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu. seigne Moustapha Sarr seigne Moustapha ak soxna Mariama. ñu nuyu len ziaré nuyu wa kër gi yépp di wax ni ñu ngi di wax ni li heure bi li ngay def te émission bi tuddu salam yalla nañu ko yàlla defal. allahumma amin di len wax ni juma mubarak baarak. jërëjëf yàlla barkeel te yàlla rek nga ma nga laal dul bal tay xamna mom tay mom nga so beuti ni mel. <laughs> nalawuma té kenn yobé ma ko yow. dem dem na ko tassé ni ko seen nuuru <laughs> ndofi ne dama bàyyi suba rek ma jëm mun ma eh ñëwal comme ñëw naa nag tey laa ko may à partir d'aujourd'hui nag moom bul ma woote salaam barmande sinon. baax na. dinañu dégg maa yow. baax na amul benn problème. ñu ngi bég bu baax nag encore une fois. xam nga xam xam nga ji li liggéey guddi souvent boo dañ naan non du du ma mën a teel a jóg du ma mën a teel a jóg daa fekk amuñu rendez-vous ambassade wala digguñu leen xaalis. xaalis nga wax. ñoo fay jiitu xaalis. saa nga woo artiste mu ne la non non matin moom c'est compliqué gis nga boo demee ambassade da nga fay daje ñoom 5 heures matin ñu taxaw. <laughs> waaw yow est-ce que teel gi. naa la jox xaalis. waaw baax am problème bu fekkee xaalis nga ma jox kay ma. tête à la presse bi ñu bi ñu Matar bi Matar Ndiaye <laughs> jox <laughs> mu euh, li nga xamante ne mooy ñaari actualité balaa ñoo waxtaane euh, xew-xew wu am solo bi nga xamante ne moo nar am la 8 décembre foofu ci doonu Fass euh, xam naa dinañu waxtaan ci suñu sang bu tedd boobu Euh, taw bayam borom Fass dinañ ci waxtaan inshallah ci kanam léegi inshallah euh waye en attendant on va parler de de deux actualités rapidement Mariama euh, bi ci moy euh Sénégal ñaare euh, bëriwul li ñuy gis quand même ay ministres yo xamné ne à l'unanimité ñëpp dañuy wax gonga Mm. rawatina nak ci jamono yi ñu nekk mm. jamono yi ñu nekk ministre yi am ministre yu doy war yo xamantene mm. li yalla xam doy na yalla ñu yalla àtteeg ñom waye Mamadou mustapha Ba mom machallah tarkal euh, je pense qu'on en a déjà parlé ici wax nañ ko fi waxat mais demb député yi dëggal nañ luñu wax à l'unanimité à l'Assemblée nationale bañu défal ko standing ovation euh, muy lo xamantene quand même et puis ça ça veut dire que aussi suñu député yi député yi ils savent reconnaître euh, les bienfaits des des des des des autres mm-hmm. c'est vrai li nga wax demb ñëpp mom lañu remarqué remarqué en tout cas gis nga sax euh, la preuve moy que ni euh yeglé kay yu bari tay mom lañu xeyé manam taxaway bi nga xam def nako mais aussi liguey bi nga xam euh def nako ci euh, vote de budget bi ñu doon amal fi nga xam moy d'assemblée euh, nationale mm-hmm. euh té li ci gëna a doy waar aussi moy daf leen indil bilan manam bilan bi nga xam Macky Sall def nako depuis 12 ans yi nga xam ne dañ ko mu nekk à la tête de ce pays mm-hmm. té ku xam aussi assemblée déjà ak configuration bi nga xam mo fam mm-hmm. député yu passé xam nga duñu may kenn dara ñom quand il s'agit de dire que ni d'accord ñu ak yow donc donc amul dara lo xamni mo len koy mo len koy teree wax alors bu jëm aussi ci performance buñu taxawé dikoy taxawee di rafetlu ça veut dire que mhm. mën nañ am xel xel bu dal ci ki nga xam modi Amadou Ba ak doléance aussi yi nga xam tek teg nañu ko sur la table mhm. euh, sàngu euh, l'observateur mi ngi wax ni lan moo tax aussi tout le temps ñuy am problème euh, ci revendication yi nga xam buñ ko tegee à la table ci fi nga xam modi assemblée nationale day am voilà day am jafé jafé te mom néna de par ses objectifs donc daf bokk na ci limu bëgg def modi lepp lo loo waxtané nañ ko ci biir assemblée nationale te mhm. bép budget bo xam voté nañ ko dina ko saytu dina ko xoolaat bu baax a baax ndax moom loolu mooy taxawaayam je pense que bu waxee loolu noonu tamit dafay dafay ñaax ñi nga xam ne ñoo di askan bi donc ñu gën ko bàyyi xel mais aussi ñi nga xam ne ñoo di député yi tamit ñu gën a dëgëral seen taxawaay ngir lu jëm ci gunge bi lu jëm ci ànd ak moom parce que aussi politique yenn saa yi du da dem pour rayante kase boo gisee ni kii mi ngi ci yoon donc donne toi moyens et nga jàppale ko a dem donc mu yegg ci mu nekk suñu njëriñ ñun ñëpp mm-hmm. parce que tamit lu weesu li nga xam ne moo di suñu ay division jëm suñu ay xalaat jëm suñu ne ñoo ko bokk muy Sénégal

ci wàllum gestion yi c'est important. Moustapha Ba daa mel les tribune rek mo ci waxul. tribune mhm. nak day waxal gaay lu bax bu gaay yi lu bax mhm. da ngeen di bind lu baax yéen tribune ak kan ak ñan sax ak yor-yor <laughs> waxuñu ci yor-yor ah no wax nañ ci. tir groupé à l'Assemblée nationale les députés de l'opposition ah désingue Moustapha Ba ah yor-yor nak ah yor-yor ba leen li ngeen di def de Moustapha Ba lu bax rek lañ ko waxal Assemblée nationale ba leen li ngeen def nak moi, j'aime bien euh, que vous critiquez, que vous euh, <clears throat> dites des les choses qui ne marchent pas, mais mhm. quand ça marche, il faut le dire aussi. Bien sûr. Il y a des choses qui Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui ne marchent et puis quand tu ay ay député yu mel ni Abbas Fall. waaw ay député yu mel Guy Marius Sagna. xam nga ñooñu duñu ñuy neexal. pour wax la ni ah euh, jàppale leen kii kii def na ni alors que déméwul non mais buñu démé ba wax ko rek c'est parce que ñom de par leur recherche. parce que aussi député buñ koy wax moy ki nga xamanteni da fay nekkal askan bi fu mu nekkul. Mhm. ci yeen li ngeen gis japp ngeen ni ki bu ngeen ko topé xel menes na dal ci mom té bilang aussi bu mu daal di indi tëral ko. Mhm. Euh, dal na xel donc kooku voilà dara desul lu peut être ñepp accompagner ko ñëpp gunge ko. té limu def aussi euh, ñeneen ni dañ ci war mëna jël roy royukaay maanaam ñeneen ci ay ministre am mhm. tey nga nekk assemblée wax def sa bilan indi sa projet tek député yëpp ànd ceeg yow félicité la je pense que loolu l'objectif de tout un député boo xam ne wala d'un ministre mhm. yaa ngi jaar fi nga di biir assemblée nationale c'est important mais beaucoup. Nous bëgguñu mu am aussi waaw Ah, bëgguñu mu am cat moo tax ñenn ñi moo tax yor yor il faut mu dévier <laughs> mu ah, ni ñëpp mënuñoo wax waaw waaw waaw c'est vrai ah. ñëpp am lu lu des mu xaw a des sax ñëpp neewuñu waaw déedéet mm-hmm. kon moom da lay wanale li mu nekk mm-hmm. ak li mu def dëgg la mm-hmm. lu baax li it yàlla reconnaître na ko bu ko yàlla def ci xolu jaam yi ñëpp ni waaw bu ñëpp nee ni si mooy taxaw ci albani déet loolu mooy catam kon nan ko ko nangul rek nañ ko ko nangul yàlla doon catam <laughs> En tout cas, Moussa Faba aussi qui a, félicité le directeur du budget d'ailleurs. Mhm. Reconnaître aussi que le directeur du budget, Daphne Tchiligé Boam Solo. Il faut reconnaître aussi, hier c'était pas évident parce qu'il a mhm. fait un bilan des 12 années des 12, de, de, Macky Sall. De Macky Sall, si, euh, En tout cas, quand tu l'entends mhm. parler, tu sais c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il maîtrise, bien sûr. C'est son domaine, c'est un, technicien donc des finances et du budget. En tout cas, l'imouillé au Sénégal, avec le au Sénégal, il euh, y a le Mais aussi, député, il y a le gën ko ci euh, parce que comme li ma bien vrai que ci mën nga am sa temps boo xam ne nga fat. Mhm. mais aussi à chaque fois gis nga ni yow mën nga apporter un surplus par rapport ak liggéey bi nga xam ne ministre bi bu ko liggéeyee mhm. askan bi dañ ciy jëriñu mhm. donc ñu bañ a toog di def benn calcul politique donc euh, ñu jàppale ko ci bu baax a baax te xam c'est pour le compte de tous les Sénégalais mu merci beaucoup alors on va parler euh, rapidement de politique bien sûr avec euh, après bien sûr la direction des élections maintenant c'est place à la caisse des dépôts et des consignations bien sûr Aïb Dafé le mandataire de Ousmane Sonko qui s'est déplacé hier pour euh, verser sa caution. Mm -hmm. Après réception du chèque et euh, l'obtention, bon, euh, quittance, mm -hmm. qui, mhm. qui, ne veut pas dire attestation là. Mm -hmm. à the end of the day, euh, bon, Matar Diop, le directeur de la communication, qui ressort. Mhm. Euh, gars yi nag yéen journaliste yi gaaw ngeen yéen li yéen yéen yéen yéen yéen a gën ci réew yéen prix pap ñu dajalé leen yéen xaramu amu leen liggéey. <laughs> mais gars yi journaliste yi nga def maa ngi fi ñu dajale leen. na nga fukki micro ñëw taxaw. waaw ah, baax na dajalé na journaliste yi daal di wax. Mais moi, ma question est que euh, pourquoi euh, ils n'ont pas vérifié mm-hmm. avant de prendre le chèque Pourquoi prendre un chèque, remettre une quittance et puis pour aller vérifier C'est vrai. loolu ci mbirum yoon euh, mën question euh, bon, comme ne nit ñi mënees ko laaj mais aussi Seydou logiquement mm-hmm. logiquement yow ci sa ça bu bugat waroon nga gis ni même bu fekkee Ayib Daffé dafa dem fee pour déposer caution donc mënuñu ko won bayyi mu mu déposer parce que ak li fi am yépp déjà Sonko il n'est pas euh, sur les listes électorales donc donc comment ça se fait yow ki nekkagul déjà ci liste électorale bi ngeen xeex loolu pareegu leen xamoo leen dina nekk candidat wala du nekk candidat ngeen dem ne da ngeen déposer caution mm. alors euh, la surprise tay di mo waroon nekk lan mo xeyna mu amone effet contraire ñu dem né Ayib Daffé déposer na nangu nañ 30 millions mm. donc xeyna na yaakaar mën na judduwaat mm. mais ba fu mu ni euh, loolu li xew bettul kenn li xew betul kenn maintenant nak euh, Ayib Daffé moom ba ñu ko déggé ci kàddoom néna euh, ñi nga xam ñoo nek caisse de dépôt consignation amuñu benn habilité. pour dire que duñu jël 30 millions ñom ñoom Sénégal yëpp xam nañu voilà ñom mom loolu la wax. té euh, je pense que de par ses expériences ak xalaat information yi nga xam amna am na ko. Mhm. loolu aussi mënees nañu ko mënees nañu ko koo nangul waye lu mu ci mëntu doon Seydou mhm. euh dafa doy waat

aussi day indi ay lënc-lënc ci askan bi té liñ ci wala xam aussi duñ koy duñ ko ci xam. té day indi beneen est-ce que est-ce que c'est pas une euh, une technique ou tactique de dire que ne. on avait déposé bu subaa bu féké valider nañu. waaw mën na on avait déjà validé et on a notre quittance. même bu dee delloo nañ leen xaaj bi mhm. sax. xam nañ né amoon nañ quittance de dépôt ba pare. est-ce que c'est pas lépp rek ci xeexu politique. parce que dégg naa am na ñu naan même gis nga avocat yi fuñu dugg xam nañ lu leen fa war mëna mën a ci benn jéego bu ñu mën a teg xam nañ lu leen fa mën a fekk mais ci us coowal Ousmane Sonko dafa am benn bataille politique boo xam ne ñoom dañ koy mëne au delà de de de la bataille judiciaire boo xam ni dëgg-dëgg ñi seen xam-xam ci jëm ci wàllum droit xam nañ fi wànnan di mujjee ki gëtëm mhm. donc loolu nag bon ñoom ñooy ñoom ñooy def seen appréciation parce que aussi ku mel ni Ousmane Sonko euh, maanaam duñu may chance état tey ji euh, ci lu jëm ci yeneen cours international yi maanaam bu ñu fa demee aussi ñu am lu ñu mën a mën a lay mhm. loolu aussi il faut que nit ñi tam di koy di koy bàyyi xel moo tax jàpp naa ne aussi au delà de cette euh, bataille judiciaire bi nga xamné mo dox digant état ak euh, Ousmane Sonko dafa am ben bataille politique bo xamné mom lañu daldi moné donc bokku na ci li ndax Ayib Daffé man véritablement xamona na bu démé caisse de dépôt ak consignation man li mo done bête moy mu dem ñu né déposer na 30 millions jox nañ ko quittance am te recevoir nañ ko mais li ci li ci xew mom vraiment man bettu ma carrément alors de toute façon il faut il faut reconnaître que jot na quittance am léegi nag attestation bi moo desoon parce que attestation pour nga jot ko mm-hmm. il faut dire que né euh, bon j'ai le verbatim de de Ben ce matin c'est mm-hmm. vrai qu'il a défendu son son ami son ami c'est son ami il a défendu mais il faut reconnaître aussi que caisse de dépôt et réconciliation consignation lui, vérifier du vérifier ndax électeur la. mais day vérifier ndax chèque bi. chèque si c'est ce que de a dit. Oui. loolu la caisse de dépôt et mhm. réconciliation consignation vérifier dans la mhm. jox d'attestation. attestation. Mhm mais moom du vérifier ndax électeur nga wala do électeur da nan ndax chèque bi 30 millions ndax mhm. am na ko mhm. ndax c'est un chèque recevable mhm. ñu déposé ko ñu né ok chèque bi jàll na ñu doon laa jox sa attestation c'est li ngay wax déjà euh, mata Diop il est dans il est dans son rôle am nga parfois aussi nit ñi duñu comprendre motax mané il faut que yenn say avocat avocats yi ñuy teg les questions essentielles manam de expliquer nit ñi euh, tey jii boo lynché ko melni mata Matar Diop alors que li muy def rôlam la ñom ci li ñi basé moy liste bi nga xam dafa bayé ko ci ministère de l'intérieur ministre bi ne leen ñii war a bokk ak ñi ak ñi la ki nga xamanteni tay ji

c'est juste ay euh, manam rôle bo xamné ay directives yo xamné da koy top et malheureusement c'est tout voilà maintenant nak euh, li nga xamné amna ci ak nit ñi connotation bi ñu am ne am diggante sonku ak li nga xamné modi état bu Sénégal lool mom ala kulli al du dañ parce que dañu japp ne c'est juste pour l'éliminer ci li nga modi moo candidat euh, ci élection présidentielle acharnement la donc et tout ça il faut reconnaître man pour man c'était simple parce que qu'est-ce que dépôt de consignation ñi li déposer yëpp mm. ku ci sa candidat valide parce que mm. Sénégal ya xëyti mulaani ñun ñëpp xam nañ ni que

parce que c'est une caisse de dépôt et de consignation. Mm c'est une bataille politique mm -hmm. ça reste politique donc mm -hmm. maintenant après on verra li ci li def merci beaucoup mm -hmm. en tout cas daal euh, il faudra vraiment que beaucoup de choses changent dans ce pays bonne mhm. gouvernance euh, état de droit et tout ça il faudra mhm. que vraiment que ñu xoolaat ko ci réew mi mhm. ñëpp mën a nekk ci euh, ci jàmm merci beaucoup Mariam parfois aussi dinañ dinañ dinañ di tooñ nit ñi euh, mbaa ñu leen wax yenn kàddu yoo xam ne xëy na waruñu leen ko wax alors que ñoom voilà c'est ça ñoom seen liggéey rek la ñuy def te nañuy xalaat aussi ñoom ah. am nañ aussi ay njaboot te am nañ patriotisme jëm ci seen réew mais xëy na yenn yi parfois buñ munta ñàkk te it euh, maanaam jafé aussi bu amé surtout ñeel walum justice motax ñukoy bañ dikoy ragal mm. dina tax ba ku ci warta won ñaaw dina ñaaw donc ku ci warta woon takk aussi dina tak motax à chaque fois ñuy ñaax justice bi dañuy xol bu baaxa baax bu ñuy def dogal nañ koy def te yalla tax te nañuy bayyi walé xel li nga xam modi askan bi te xamné ne fi ñu toog fa seen bop askan bi lañ fa toogal c'est important mu goog merci beaucoup merci beaucoup Mariama euh, jërë ngeen jëf amis spectateur de Malika TV euh, il est euh, il est 10 heures passé de 1 minute euh, donc c'est une émission Salam. Euh, Moi, daal di euh, wéy ak yéen El Hadj Ngagne Mbaye ñu ngi lay de bu baax a baax di la di la ziar la <laughs> di la masawu sama xarit bi. <laughs> mën naa xam 30 millions dañ la ko waroon rek. loolu la ñu waroon def nag kan moo kan moo koy dénkaane sax. waaw ñoom kay comme que am 30 millions bugguma 30 millions teel sa 30 millions sama 30 millions fii laa koy bàyyi du ko yóbbu. waaw loolu kay. dana xuloo seen noonu. sa yow caisse de réconciliation soriwul sa kër. soriwul sama kër de. waaw nan ànd après dem jëli yow mi koy dénkaane yéen ñu koy xëccoo te mënu ko kenn bëgg koo jël. waaw man bëgg naa jox leen ma ko. <laughs> rek mu jeex te nag kaay ma xamal la maa gën a jub ci àdduna bi nag. Ah. ni ma jubee. Ah. man lu ma nit dénk. Mm. heure ba nga ko ma ko joxee rek mm-hmm. bu jotate ba mako laaje laajee ma jox lako tay waye nak dina ci fellu tuti nak akhu denc akhu denc ay mënul ñak da ngay gis ko xamne xam day yor nat ci dëkk bi. mais Seydou Nour man loolu dama ko jaxale moy la da ngay gis ko xamne da ngay yor nat. nga war nat 10 mois. mais muy la benen ki bi 9 yi lan lay jox benen mois bi mako mom wa waaw loolu nu mu demee noonu. xanaa loolu wala Mariam la koy laaj. nat mooy natt day am loolu. nat ba lan la. da ngeen di nat nat ba nat nat. nat mois boo xamante ne kenn du teg waaw kii téye loxo bi moo koy moom waaw. Ah, loolu natt yëpp parce que moom mooy nekk maanaam li muy li muy moom. ak denc. waaw ak denc waaw mën nañu ko tuddee ak denc comme ak denc am na nag kon 30 millions nen moo ko jox. <laughs> nga am si ak denc. am sama ak denc même bu dee 10 pour cent sax baax. amul problème fu mu ne dëkk bi toll na foo xamante ni Seydou Nourou. Ah. yal nañu yàlla dollee dimbali rek. waaye yéen moom yëgu leen ni dëkk bi metti moom yéen. waaw lu nga ni yëguñu ko. ah yéen yéen tag côté Seydina Mouhamed yéen. sallallahu alayhi wa sallam yéen lu mu leen ni dëkk bi metti yéen lu mu yéen lu mu xat-xat ngeen laal euh, jeudi vendredi samedi dimanche. <laughs> waaw dem Maodo nee na. Hmm. Yonent bi nee na. Serigne Touba nee na. Hmm. Baye Laye nee na Baye baatare leen ngeen dem ñibbi. Ah, moo tax nga ni dëkk bi neexul ci ñun. waaw. waaw loolu de moom sant yàlla bu baax a baax waaye nag kaar macha allah seet nuur seet nuur kaar laa lay wax kaar waaw il faut ma boole la Pape Khalifa suñu doom jooju ak madame euh, madame Kane. Euh. waxal sa waay na ma bàyyi <laughs> mais kaar daal ndax xam nga lu tax uh-huh. ma ko ma mës a wax ci weeru koor ndeysaan ñu ñëw weeru koor bu dugg si mu ne ah yéen seen seen seen période ñëw na seen traite ñëw na seen traite kon ma ne ko ah kon yow xamoo yonent bi bi amoon traite mu ni ma ah ma ne ko déedéet ma ne ko at bi yëpp la at bi yëpp la wallaay ndeysaan nëgam yaa ngi ko sopp rek sallallahu alayhi wa sallam te li ngay def nga koy def ngir jëmmam ndek ak sunu sunu borom tax nga di ko def muy uh-huh. taabuda heure boo xëyee jàppal ni teraangam du jug ci yow. wallaay ndeysaan. déggoo li ko woykat bi wax. Mhm. mboolem teraanga yi. Mhm. ak xéewal yi. Mhm. yaa ko waral. lépp moom la moom yonent bi. moom la de. waaw mboolem teraanga yi loo gis rek lu ne rek yonent bee ko waral. waaw léegi yow yaa ngi da ngay teel a yeewu ñëw liggéey si. waaw. bu weer deewee Matar Ndiaye ni la am. lii man maa la ko fay. waa léegi ngañ mbaay mi nga xamante ni si moom nee na léppam jox na ko rasulillahi ma xam moom benn métier laa am te mooy tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndëgam maxtaar a mën a fay mhm. asamaa ki tax yàlla bind ki tax mhm. maxtaar moom am gi mu am ki tax mu am waaw kooku bu mënut a fay kenn mënut a fay sallallahu alayhi wa bilaa jaratu ti soli moo fi nekk nag yonent bee fi nekk yow mii sax sa sañse bu jekk bii waaw hmm? waaw ak mbaxane bi nga xam te ne da koo tóoj tey non sànq dama toog fi xool mbaxane man noon seen nun ndakate jantal la <laughs> foo ne. laa mais Seydou Nour baadoo am baadoo am beneen. beneen la man maram kan la àndal de. temps dégg naa yaa ngi am na fu ma lay dégg de. da ko doon wax da ngaa bëggoon ma ñoree tey la lépp yi leer. xanaa addiya xanaa bu ñu ma joxee addiya de ma jël kenn joxu la addiya. bu ah, jël. waaye wax nga wax ju am importance sànq nag. ndeysaan waaw mooy ci. ci ci li nga xamante ni si ndeysaan. nit ñi war nañ ko nangu mooy. bu nit defee lu baax. waaw ñëpp bokk apprécier ko. Mhm. c'est important loolu lu am solo la ci àdduna bi. gis nga ba ci diggante jëkkër ak jabar. Mhm. gis nga sa soxna bu xëyee taajal la ndékki lu neex defar kër gi yow yaa ngi tëdd di nalaw de moom jug na ba préparer lépp. Mhm. Seydou balaa ngay génn sax jox ko loxo. wallaay ñu koy soxna si jërëjëf ndekki li neex na waaye yaa baax waaye yaay sëñ Babacar waaye biisuma fii waaye bi rewaat ko nii gis nga loolu bu fekkoon mu fanaanee xol bu metti sax loolu nga ko def rek féex na loolu dafa war ci digënté sax patron bi nga xamanteni ni ay emploi mi ñu ngi ci biir kay bi yenn saa yi day dugg ci rek ñew dugg leer na leen ñi dama leen wara fay la 5 yow la 30 nga ñew wallahi genn paquet am ah sëñ bi wër bi deewagul nga ñu ko dédét li ma la ko may may wax ni waaw mais Seydou dama la sétane birki dem salam nga wax wax jo xamanteni ak sant bi sama xol sedd am Matar Ndiaye la wax de Matar Ndiaye ngay wax ni ngay ay bu defoon loolu tay ñew ñew xamna dafa mel ne fay ko daf koy waaj def nak ñew gis ki jox ko ci joxe wa señ bi wër bi déwagul ngay dedet dama gis ni malikiya fi mu toll ñepp diko apprécier mhm. man maktar mangi ngi xey di daw pour luma ci def waye yeen bu ko ñun ñi apprécier yeen waye am leen nak loolu neexal da fay tax day tax nit ki gëna sawar deug la loolu nak mom mhm. nak njaay mi ngi ci yeen say mom dina la gis ci ruq yow seydou nourou gis ma yeen say wala gis ñeneen ñi kon ñaan yalla yalla barkel kon nit bu defé lu bax wax ko mhm. bul ko bul ko wax génnal ni diw def na lu baax gis nga loolu xam nga lu mu lay yokk Seydou Nour. Hmm. sa daraja lay lay yëkkati. wallaay di gis ku la seetaan ni ah kii xolam baax na de. kii hmm. kii li mu wax ci nit ki. Hmm. newul ci nit ki ci moom la nekk. moom la ñuy wax wax sa mbaaxuwaay. du li nga wax sànq rek ñëpp mënuñoo bokk nangu. déedéet gisoo yàlla dafa nu yonent bi kaay. sallallahu alayhi wa sallam waaye ñii bu leen waar. waxal ak waaye ñii bul wax ak ñoom. ko ah lu tax mu ni ko ah parce que ñii dama kaste seeni bët kaste seeni nopp kaste seeni xol ba loo leen wax duñu ko dégg loolu ci coobare suñu borom la kon ñëpp mënuñoo wax waaw xatama allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absaarihim risaw kon ñooñu kon ñëpp mënuñoo bokk wax waaw kon Moustapha Mahamadul Moustapha te nag